Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Tchatcho s'exprime. Alors, et ce qui m'a toujours intéressé dans la comédie, c'est qu'une fois, j'étais dans un taxi et un vieux me regarde, il me dit toi là, nous, Bafnara, tu n'as rien, tu sais rien faire que faire rire les gens. <laughs> J'ai dit, eh, mais attends papa, tu aurais dû juste me poser la question, est-ce que je fais autre chose à part ça Allez, nous, Et du coup, une dame me dit, mais attends, toi, on dit Serge Clément, on dit Abdrachid, tu es chrétien ou musulman Oui. Elle a j'ai fait les deux à la fois. Du lundi au vendredi, <laughs> je fais Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et le dimanche, je vais à l'église. Yesu, voilà. Le jour du jugement dernier, là, quand on va dire chrétien à gauche, musulman à droite, moi, que je me mets au milieu. Si c'est les musulmans qui gagnent, si c'est les chrétiens, de toute façon, on sait que je fais de deux. Et l'important, c'est aller au paradis. C'était Tchatcho, la famille, c'est nous. <laughs> Le président de Hada Hada et de, Bouga Vous vous rappelez certainement de l'artiste, on avait parlé de son parcours, le parcours du combattant sur l'émission Franco Aoussa de la Misrim aujourd'hui. Ladies and gentlemen, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler de la famille. C'est nous pour parler de la comédie au Niger. Mesdames et messieurs, vous qui êtes connectés un peu partout au Niger, à commencer par la région d'Agadez, Difa, Dosso, Tawa, Tilaberi, Maradi, Zenderniam et Kolotoro recevez-vous, recevez tranquillement chez vous l'artiste Ciao de la famille Hussein. Ciao. Mm. comment tu vas Le rire, ça guérit. Ouais, clair. Ça soigne le rire. Et, vraiment, le rire est thérapeutique. Ciao. parlons de la famille. C'est nous, c'est tous à la fada. Alors, parlons de la famille. Parlons de la famille. La famille, c'est nous, c'est vraiment une équipe de jeunes qui, sont passionnés par la comédie, qui sont passionnés par raconter des histoires, euh, non seulement pour sensibiliser, mais aussi c'est donner des leçons, euh, c'est accompagner, c'est c'est attirer l'attention sans pour autant passer par des donneurs de leçons. Aujourd'hui, notre société, elle est gangrénée par des maladies, par de l'insécurité. Il y a beaucoup de mots qui nous gangrènent. Alors, avec notre petite comédie, on vient non seulement pour attirer l'attention, mais aussi aussi pour apaiser les cœurs, pour créer de l'ambiance autour de tout le monde. Ah, voilà l'objectif de la cette émission. Je me rappelle très bien de tes propos tenus sur le premier angle. Tu disais que tout a commencé en 2007. Alors nous allons peut-être approfondir cela. Comment est-ce que tu as rencontré les autres Explique-moi. Comment est-ce que tu les as convaincus Parce qu'en ce temps-là, certainement, beaucoup ne croyaient pas à la comédie au Niger tu as cru et tu as réuni eh bien évidemment du monde autour de toi. Et vous nous avez émerveillé à travers vos sketchs diffusés sur les télévisions. Je me rappelle très bien sur la télévision Ténéré, vous avez diffusé en tout cas euh, beaucoup de vos sketchs. Tu disais que tu as été diffusé euh, plus que le PR en, cette année. Alors parlons un tout petit peu de comment est-ce que vous êtes rencontré avec la clique et la famille. voilà Voilà. L'avantage c'est qu'on était tous dans, la même, dans, le même fief, dans le même quartier. Et quand j'ai écrit, en même temps que j'écrivais, j'écrivais les histoires en fonction des personnes qui étaient autour de moi. ok Et voilà ce qui m'a beaucoup plus inspiré. Et je ne leur ai pas parlé. Il a fallu que je rencontre la directrice. Qu'elle a dit, elle était OK. Je suis venu, j'ai fait une réunion. J'ai dit, bon, les gars, aujourd'hui, on est là à la FADA. Souvent, il n'y a rien à faire. C'est le soir, on va au cours. Voilà un truc pour nous. on va essayer, on va se lancer. Mais comment est-ce que ça t'a passé l'esprit Dis-moi, ça vient d'où Tu avais vu ça à la télé quelque part ou fait euh, commencer Franchement, euh, dès mon bas âge, où j'étais dans la comédie. Ah, et quand je suis venu au Britannique, militaire, ah, ah. j'étais aussi le responsable de l'équipe culturelle, de tout ce qui est artistique et ah, culture. Tu ouais, quatrième promotion du Britannique militaire. Waouh, <laughs> waouh, waouh. Oh, super. Alors, euh, sur cette émission, il nous faut aussi parler de la comédie au Niger. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, vous êtes d'une manière ou d'une autre une référence. Vous avez certainement influencé beaucoup de jeunes. Et quand on prend un peu de 2007 à aujourd'hui, eh il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à la comédie. Alors, Parlons un peu de la comédie au Niger. Franchement, aujourd'hui, je suis ébloui, je suis surpris de voir la créativité des jeunes. la manière dont, euh, quand je prends exemple Wanouski, je prends Iblolé, je prends euh, par exemple euh, Fanico, la, la, c'est des jeunes qui ont du talent et qui sont déterminés à vendre leur art. Je ne peux que les encourager parce que ces jeunes-là, ils ont du talent, ah. ils ont de la matière et tout ce que je peux leur dire, c'est que euh, il faudrait qu'on crée un cadre pour tous s'unir, travailler ensemble, parce que euh, nos talents peuvent être un escalier. Celui-là, il rehausse celui-là, celui-là. Et à un moment donné, on va équilibrer la chose. Et, puis ça, mais sinon, il y a du talent. Et les jeunes boss, c'est le plus important. J'aime cet esprit d'union. Alors pour toi, la comédie a de l'avenir au Niger L'avenir, c'est au-delà même de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, avec une référence comme Maman, avec une référence comme Nourou, il euh, n'y a pas de quoi qu'on dise que la comédie est un échec. Ça, serait, ça serait vraiment une malédiction. et ils n'ont même pas intérêt. Tu a tout dit sur cette émission. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Et sur ce deuxième angle, cet instant est tout simplement solennel. Tchatcho. Je veux un message parce qu'on sait aussi qu'à travers la comédie, vous conscientisez. Alors, je voudrais un message de la part de l'artiste parce que Tchatcho, tu es extraordinaire sur cette émission. Aujourd'hui, tu as des gens qui t'écoutent. Alors, la jeunesse qui kiffe cette émission, est-ce que tu as un message à l'endroit de ces jeunes qui nous kiffent à travers les huit régions du Niger Un message de fin, Mr. Tchatch, un message de conscientisation. Euh, franchement, euh, avant de lancer mon message, ça serait un grand merci au studio Kalangu à, cette émission Tous à la Fada et merci aussi à l'homme euh, Dondi parce que tu fais, tu fais, tu fais beaucoup pour le Niger, tu fais beaucoup pour la jeunesse. Ah, Qu'ils reconnaissent ou pas, c'est une vérité, c'est palpable. Il ne a pas, on crée pas les choses, elles sont, elles sont, elles sont là. Et mon message aujourd'hui à l'égard des jeunes, c'est que que tu sois de l'est de l'ouest, du sud au nord, que tu sois à Maradi, Zender, Douti, ou que tu sois sur cette terre, sur, ce territoire nigérien, on est nigérien. Et il faut qu'on cultive la paix. Au-delà de tous nos traits politiques, tous nos traits ethniques et tout religieux, il faut qu'on cultive la paix. Parce que un pays ne peut pas se développer sans paix. Et même dans la religion se dit, la paix est source de tout. Au-delà de tout, euh, les jeunes, il faut qu'on se batte pour nos rêves. Personne ne va réaliser nos rêves, personne ne va être ambitieux à notre place et personne ne va réaliser nos projets. Alors, levons-nous, main dans la main, Nigériens, Nigériennes, surtout les jeunes, avançons parce que c'est possible, parce qu'on peut le faire et parce qu'on doit le faire. Sinon, la jeunesse qui sera derrière, on n'aura pas d'excuses. Alors, Nigériens, Nigériennes, levons-nous, allons de l'avant. Merci. La paix que nous voulons pour le Niger, mais eh nous la voulons aussi pour le monde entier. Fraternisons, travaillons, progressons. C'était Tchacho et la machine sur l'émission Tous à la Fada. La réalisation a été assurée par Mustafa et Issa de l'autre côté. Nous vous demandons de rester en compagnie du programme du studio Kalangu au rythme judiciaire. Machine and Chacho Talked. Hey!